Lundi dernier, la communauté chrétienne a célébré la fête de Noël qui commémore la naissance de Jésus-Christ. En cette occasion, le ministre chargé des Affaires religieuses, le ministre de l'Intérieur Bazo Mohamed, était à la messe de minuit de cette veillée de Noël dirigée par l'archevêque Monseigneur Laurent Lampo à la cathédrale de Niamey. Le ministre est allé livrer le message de bonne fête du gouvernement à la communauté chrétienne du Niger, Bazo Mohamed. Au nom du président de la République, en ma qualité de ministre chargé des cultes, pour leur souhaiter joyeuse fête de Noël et leur dire que l'État, garant de la nation, a la mission d'assurer la cordialité et la tolérance qui ont toujours prévalu entre le peuple du Niger dans ses différentes composantes confessionnelles. Euh, priez Dieu qu'il descende sa miséricorde sur notre pays. En sport depuis le mardi 25 décembre, Zender, la ville du Damaga accueille la 39e édition de la lutte traditionnelle. 80 lutteurs représentant les huit régions du Niger sont en lice pour le sabre national. Après cinq jours de combat hier, il n'était que 19 lutteurs invaincus, dont 4 pour Maradi, Dosso et Tawa trois chacune, Agadez 2, Difa 2, Tilaberi 2, Zender 2 et Niamey 1 Et puis nous avons appris que mardi dernier, l'ancien ministre de la fonction publique de l'ex-président Laurent Gbagbo, Hubert Oulay, a été condamné à 20 ans de prison par la cour d'assises d'Abidjan. Hubert Oulay a été déclaré coupable de complicité d'assassinat de 17 personnes dont 7 casques bleus dans une attaque de juin 2012 dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Les 10 casques bleus étaient des militaires du Niger. Au plan sécuritaire, l'Italie va déployer 470 militaires au Niger afin de renforcer le contrôle du territoire par lequel transitent de nombreux migrants, a déclaré le chef du gouvernement italien Paolo Gentiloni lors d'une conférence de presse jeudi dernier. Un premier contingent de moins de 200 personnes doit partir début 2018 pour gérer l'aspect logistique de cette mission et sera rejoint dans le courant de l'année par les autres militaires ainsi qu'un total de 130 véhicules et deux avions selon la presse italienne. Et puis dans le cadre de la coopération, l'Union européenne décaisse 30,15 milliards de francs CFA en faveur du Niger. Il s'agit de la deuxième tranche de quatre programmes d'appui budgétaire de l'Union européenne qui viennent d'être finalisés. Ce paiement s'ajoute à 107 autres millions d'euros déjà versés au premier semestre de cette année au profit du Trésor public nigérien et porte le montant total des décaissements d'appui budgétaire de l'Union européenne en 2017 à 112,97 millions d'euros, soit plus de 114 milliards de francs François